asalaamaaleykum ah, man maa ngi tudd Binta Sagnang dëkk Karaban man may présidente marché Joola ah chaque année dañuy def anniversaire bato bi yi jén depuis port ba ñu ñëw ba fii dañuy def anniversaire at bu nekk ñu def ko ñun ni neen ñun waa marché koy organiser ci suñu bopp ñooy sànniyante loxo ñu defar wàccee kaamil conférence ba seen kër ñu tas togg ay mbana sarax ko nit ñi ñu lekk jënd ay miskit joxe ko loolu dañ ko def ci wàllu suñu moroom yi nga xam ne ñu nag ñoom ñoo yàkkal ñoo yàkkal liggéey ñoo yàgga ànd di liggéey depuis poor ñoo jóge ci suñu loxo ndax yàlla bu ko neexoon ñun ñi taxaw di wax bu ko neexoon mu boole ñu ci waaye dañ ci bok dañoo bokkul ci reer boobu moo tax bokkuñu man naa ne ma bato bi bu muy jógee Ziguinchor di ñëw man mi di wax man Binta Sagna ñun la mujjee wàcce ci port ndakaar ñun ñoo wàcce ci bato bi mu dellu di dellu suwaat mu def accident kon dañoo bokkul ci ci reer bi loolu moo tax bokkuñu ci waaye maa ngi sant gi yéen ñi bu baax ñi nga xam ne ñoo ciy def seen ñàq xaar ñu ci kenn nag boo ba léegi ñun ñooy defaral suñu bopp da ca war ñu def ko directeur marché bi ñew ku ñew fekkañu ci yow it nga def ci sa doole bo gisé jigéen ñi en tant que jigéen ñuy defaral sen bop kon di nga né ah kon xaaral ma jàppale suma yaay ndax jigéen kessa moy defar kon war naa see jàpp directeur directeur bi mu wess bi ñew ni moom mu ñew fekkañu fi yalla na yalla la ko sees bi jig mu ñew japp ci liggéey bi ci suba depuis démb ba légui mu ngi taw waye togul bureau mu ngi ànd ak ñun di liggéey jàpp ci liggéey bi bu ko neexoon mu toog ci bureau mu yónnee ay ndawam waaye defu ko mu ngi sol ay dàllam démb may naan ah man de musuma directeur bu sol cara directeur bi mu ngi sol cara di pacak pacak ci biir ndox mi nii kon loolu boo ko defee dafa yëg ay ndeyam yi nekk ci biir marché bi mu ñëw di leen jàppale jàppale bu mu jàppale na bu baax a baax jàppale doole na ci bu baax mën naa ne genn wàll gi moo ko def kon jàpp na ci bu ko neexoon mu ne xaw ma ci dara ndax léegi laa waaye defu ko def na ci dooleem ba mu jee boole ci nag toogul biroom ñëw di ànd ak ñun di liggéey waaw ak équipe am état bi dimbaluñ ñu dara état bi ñun suñu anniversaire état bi faalewuñu ko ndax ñoom bu bu Ziguinchor bi la ñu gën a fonk bu Ziguinchor bi bu jotee ñoom ñëpp a ku dem te ñun lu ñuy defi waa Ziguinchor duñ ko def waa Ziguinchor duñu wàccee xanaa wàccee kaamel ñu togg du ñu def conférence dañuy euh, wàccee kaam rek bu ñu paree saraxe miskit bi tasaaru ñun nag fii dañuy wàccee kaam saraxe togo ay añ dox aadama yi ñu lekk nekk nekk fii di conférence ba cinq heures julli cinq heures ñu door a tas kon defe naa waa Ziguinchor ëppale wu ñu dara ñun bu ñu lay ëppale wu la ëppale wu ñu dara waaye gouvernement damaa bëgg a gouvernement bi ñu bàyyi suñ seen xel ci ñun boo gisee ñun nanguwuñu marché joolaa tas moom mooy statut moom la ñu bëgg a mu doon statut marché kii bato bi xanaa ñu jàpp ci ya naa directeur dina ko jotale directeur ñu ngi lay gërëm di la sant ak sa équipement ak euh, wa was fas Pastef ñi ñi taxaw ni di ñuy jàppale ñu ngi leen di santale bu baaxa a baax ndax bu mu ñëwé fi dama gatt ni mom waye nak man ma daw di top ak mom diko naan eh. ministre yow suñu mbar mi mu daanu jappañu ci mbar mi nga defar ko dem ay yagul am ay fan rek mu yonne ci nit mu ñëw nat mm. kon koku daf ñu yalla yëg mu ñu mu continuer Je ngi ñëpp di ñëpp di jéggalu ci directeur marché central au Poisson bon d'abord euh, euh, remercier euh, ñi wa marché à travers le présidente Binta maire Binta et ñëpp ñi ci journée bii moom journée symbolique la journée boo xamante ni journée Sénégal lépp moo ko war a sax parce que ñun ñëpp xam nañu euh, naufrage bateau le Joola mbir moo xamante ni dafa laal Sénégal yëpp dafa laal Afrique yëpp dafa laal euh, adduna bi yëpp waa dëgg yàlla journée bi journée boo xamante ni mënuñu ko fàtte te waruñu ko fàtte Je m'appelle Adjar maria Faye, déléguée au marché, euh, marché même temps responsable politique. Secteur général de SAPROSI, le syndicat autonome des professionnels du secteur de l'économie informelle, prise au marché de Diola. Euh, comme je l'ai dit tout de suite, nous rendrons grâce à Dieu la journée du 26 est la commémoration du bateau de La du bateau de Gola. Une journée sacrée, une journée inoubliable, une journée qui nous tient à cœur, que nous célébrons, ça fait 22 ans que nous le faisons avec notre présidente, Mme Binta Sanya et l'administration qui est au pouvoir. Actuellement, je vais citer M. le directeur à Baldé, directeur général du marché et les femmes du marché que nous remercions infiniment ces braves femmes, nos jambards du marché de Diola, qui étaient des parmi, avec les jambards du naufrage du bateau de Diola. Nos anciens et nos compatriotes qui sont allés dans le naufrage euh, nous n'oublierons jamais. Je remercie Dieu, je remercie les femmes du marché. Les infatigables femmes, les femmes patriotes, dignes de leur nom, qui ne connaissent que le travail et la dignité. Depuis 22 ans, ils prennent le sueur pour le faire la commémoration. C'est une journée de prière. Faisons des prières le marché est un marché laïque, même il y a des catholiques qui font des prières à l'église à la mosquée. Euh, une journée qui est tellement compliquée avec la pluie et qui nous a beaucoup rappelé lors du naufrage du bateau Lodola en pleine pluie. Vraiment, aujourd'hui, je ne peux même pas m'exprimer. Je n'ai pas de mots. C'est un très grand rappel à tous la journée du naufrage en pleine pluie. La journée de la commémoration en prison. vraiment, c'est une journée inoubliable. Les femmes sont là. Une journée de prière, nous faisons vraiment des repas, d'excellents repas que nous donnons à nous. Vraiment, et tout, des récitals de Coran, une conférence religieuse. Toutes les femmes sont là, avec l'appui du directeur et les patriotes. Je ne veux pas citer de nom, quand je dis patriote, tout le monde connaît ce que Et c'est une journée qui est apolitique aussi. c'est leur règne. On ne peut pas ne pas les, euh, exprimer. C'est leur règne. L'État est une continuité. Et depuis le naufrage du Dola, nous n'avons jamais vu euh, de nos supérieurs, je veux citer le, le gouvernement, et seuls les directeurs nous accompagnent et les bonnes valeurs. Il y en a un, pagaille, nous avons des pupilles de la nation. Les pupilles sont là. Si leur maman ne travaille pas, ils ne vont pas à l'école. Ils ne mangent pas, ils ne payent pas les locations. Il y a des enfants qui ont raté leur cours comme ça. Ils ont arrêté les études. Parce qu'on ne peut pas, avec la rareté de produits, qu'on ne peut pas assumer toutes les responsabilités, étant donné que ces bonnes dames-là sont des veuves du bateau de le, euh, elle assume les mêmes responsabilités que les fonctionnaires de l'État, mais elle n'en arrive pas. Donc, qui va relever le défi Les pupilles ne sont pas appuyées. Les enfants sont là dans la rue. Un cri du cœur pour le nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye et son excellence le ministre Nous avons beaucoup d'attentes qu'il accompagne notre ministre Fatou hiérarchiquement cette dernière accompagne notre directeur. La véticité de notre marché. Nos hangars sont vêtus. On est là sous la pluie, les produits sous la pluie, ce n'est pas favorable. Des produits halieutiques sous la pluie, c'est vraiment déplorable. La véticité du marché, les inondations surtout, vraiment nous attendons un accompagnement pour le directeur du marché accomplisse sa mission. Sans cet appui, il ne peut rien faire parce que nos maigres moyens, même toutes les gens ne sont pas là. Hein. La rareté de produits, euh, vraiment, va faire un déficit financier pour la gestion du marché. Donc, nous attendons notre appui hein, pour qu'il puisse réaliser son souhait. Et on lui souhaite plein succès aussi, vraiment, pour sa mission.